auditeurs du studio Kalangou, vous qui nous rejoignez en direct à travers nos 21 radios partenaires, c'est avec une immense joie que nous vous souhaitons la bienvenue dans ce tout premier numéro de la semaine de votre émission préférée, le Niger sur Kalangou. Je suis Fanta Chamsou et je suis accompagnée de Ruketu Abdurrahman. Bonjour Ruki, comment tu vas Bonjour Fanta, je vais très bien et de ton côté on n'oublie pas aussi la magnifique équipe qui nous accompagne ce matin. Il s'agit de seine Isaka à la technique et Adam Adawati à l'édition. Alors Fanta, quoi de neuf ce matin Ce matin, Rookie, il y aura le flash d'information, la page sport, une rubrique justice et de la culture linguistique. Nous ferons aussi un tour à Matamei dans la région de Zender dans la rubrique Éco des régions. Et comme invité ce matin, nous recevons Ousmane Mamoudou, le responsable de l'équipe numérique du studio Kalangou. Avec lui, nous allons parler de l'intelligence artificielle Mind Journée, c'est ça Mid Journey. <laughs> Chers auditeurs, préparez-vous pour une heure de découverte, de partage et de passion autour du Niger et c'est parti. Voilà, chers auditeurs, nous ouvrons cette émission avec les dernières actualités présentées ce matin par Nafisa Sirfou. Bonjour Nafisa. Bonjour Fanta, bonjour Kaya. Bonjour. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangou et bienvenue dans ce flash. Tous les candidats de la série D du bac 2023 sont autorisés à reprendre l'épreuve de maths et la meilleure note sera retenue. Annonce faite ce week-end par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il a été décidé de reprendre l'épreuve de mathématiques pour la série D lors du dernier Conseil des ministres du jeudi 6 juin 2023 en raison de graves erreurs décelées dans la formulation du sujet. Selon le ministre, aucune date n'a été annoncée pour cette reprise de l'épreuve de mathématiques, mais les services techniques vont bientôt se retrouver pour statuer sur l'organisation de cette épreuve dans le plus bref délai. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UMOA a annoncé la levée de la suspension du Mali des organes et institutions de l'UMOA prise le 9 janvier 2022, indique le communiqué final de la conférence tenue le samedi 8 juillet en Guinée-Bissau. Pour rappel, l'institution avait imposé plusieurs mesures économiques et diplomatiques vigoureuses à l'encontre du Mali pour sanctionner l'intention de la de se maintenir au pouvoir pendant cinq ans. Enfin, du 7 au 9 juillet, s'est tenue à Maradi la troisième édition du tournoi de lutte à RTL Kokoa 2023. 16 meilleurs lutteurs à raison de deux par région se sont affrontés durant trois jours. Ainsi, c'est Zakiru Zakari de la région d'Ottawa qui remporte la coupe, plus 2 millions de francs CFA face à, son adversaire Lawali Di Dantela de Zender. C'est la fin de ce flash. Merci Nafisa. Je l'annonçais plus haut, chers auditeurs. Dans ce studio, nous sommes en compagnie de Ousmane Mamoudou, C'est le responsable de l'équipe numérique du studio Kalangou. Ousmane, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour aux présentatrices. Bonjour Ousmane. Alors ce matin avec vous, nous allons parler de Midjourney, une intelligence artificielle qui génère essentiellement de l'image. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord faire une première pause musicale. Je vous propose ce slam de Jonel Kwairo Nyamainama. Worth Music. Worth nyamainama dingihin goro dinsihin sosoro dahinin ye kauye gogoro kwaro nyamainama dingonda china dinsinda haya dabuniga dira borai bacara iga bacarga tarikomai ba dobore kanyan gwanda dobora ne ai ga wale ka tabira to gun halmanti shai zono bora gihima zamkwaro boduma duma kulno nikubanda afoyan tarira iga fucina me kanaira imin dangara me bobaira imin bantaka kwaro nyamai nama dingihin goro dinsihin sosoro dahinin ye gogoro kwaro nyamai nama din gonda china din sinda haya da buniga dira kwaro nyamai nama in kana iya ka zamna in baka iya ka gurgusa in ya ima ka je kauyen da zama kwaro nyamai nama dindi ni bora kul bai bai kul bai to ni sinda. Dindi bora bora kulgin bai ni kul kulbai to ni gonda din si ta yi se haikul ni gici ni ga dinga ta yi se ba hamni su zumbu ni ga amma da bu ni ga ba malfaga tun ni ga kwaro nyamai nama ga babora bora ni ga te da bora za nyamai mai kalkauye ga kungun da bora amma bora ginga bon karniga kwaro nyamai nama afoyan ziba kan siga ara nigonwa windi wano ra ni gingai sifa mota kan manti wane ni ganda karda amma diyai sai bon ganda te dika kwaro nyamai nama Jonel est le nom d'artiste de Hamani Kassoum, né au Niger en 1984. Il a circulé en Côte d'Ivoire, au Mali, où il a publié son premier album. Du rap, il passe facilement au slam, ce qui lui procure une réussite auprès du public nigérien. Jonel s'est défini lui-même comme un griot moderne. En 2012, il fonde un festival international de slam et d'humour, le Fishkoni. Ra, mota kan manti ne ni ga ganda karda amma diyai sai bon ganda teni dika kwaro nyamai nama dingi hin goro dinsi hin sosoro da nin ye kauye gogoro kwaro nyamai nama din gonda cina din sinda haya da buniga dira kwaro nyamai nama Voilà, chers auditeurs, après cette pause, nous revoilà au studio avec notre invité du jour. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il s'agit de Ousmane Mamoudou, le responsable de l'équipe numérique du studio Kalangou. Ousmane, journée, qu'est-ce que c'est Alors bonjour à tous, encore bonjour à tous nos auditeurs. Donc aujourd'hui, on va parler de Midjourney, qui est en fait un logiciel d'intelligence artificielle. Et dans une session précédente, euh, dans une chronique précédente, on a fait une chronique aussi sur l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, en fait, euh, c'est tous les outils qui vont essayer de simuler l'intelligence humaine, que ce soit euh, ChatGPT, on l'a vu, ou d'autres programmes informatiques. Mhm. Donc Midjourney, c'est ce qu'on appelle des intelligences artificielles génératives cest euh, à dire que c'est des programmes d'intelligence artificielle qui vont générer quelque chose. Avec ChatGPT, c'était du texte. Mhm. Donc avec Midjourney, c'est des images. Donc euh, ça a été en fait fondé par euh, le laboratoire lui-même qui s'appelle Midjourney. Donc c'était un laboratoire de recherche indépendant qui produit le, programme Midjourney. Donc et la version bêta du logiciel, elle avait été lancée le 12 juillet 2012. Donc ça fait presque une année tout simplement que Midjourney a été lancé. Et depuis son lancement jusqu'à aujourd'hui, on a vu quand même des progrès fulgurants. Justement, on veut savoir comment ça marche, comment avoir accès à Midjourney. Alors, pour l'utiliser, c'est assez simple. Donc, premièrement, il faut avoir un compte euh, sur leur plateforme. Mais le compte que vous allez créer, il faut d'abord créer un compte sur Discord. Mm. Donc Discord, pour les personnes qui ne connaissent pas, euh, c'est un site sur lequel vous pouvez euh, vous connecter pour discuter à l'oral ou bien à l'écrit. Donc très facile à installer en deux clics. Ensuite, vous allez sur le site de Midjourney et cliquez sur euh, le bouton où c'est mentionné Join the Beta. Donc, je pense que maintenant, la bêta, elle n'est elle plus d'actualité parce que l'application, elle a vu, eu un succès tellement fou qu'ils ont arrêté la version bêta. Je pense, je sais pas si c'est euh, s'ils ont relancé La version bêta, qu'est-ce que ça veut la dire La version bêta, c'était la version de test, si vous voulez. Donc après, ça a été abandonné. Mhm. Comme c'est le logiciel en fait qui est payant. Donc, euh, il était possible pour les utilisateurs lambda comme vous et moi, qui nous, on n'a pas beaucoup d'argent, donc pour partir se connecter, voir comment l'application fonctionne pour la tester. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, donc vous allez recevoir euh, une invitation pour joindre euh, le serveur qui se trouve sur Discord. C'est assez simple. Ne voyez pas des... C'est vraiment comme une messagerie Facebook, ou mhm. WhatsApp que ça fonctionne. Et donc, vous pouvez accéder depuis l'application Discord sur votre téléphone ou sur votre ordinateur euh, au logiciel. Et une fois que vous êtes dessus, donc, euh, vous allez cliquer. Il y a ce qu'on appelle des salons dans, dans, dans, Discord. Donc, il y a un salon qui s'appelle Newbie. Donc, les nouveaux, les bleus, on va dire Newbie en anglais. Et donc, c'est là-bas que vous allez partir sur Discord et puis taper la commande Imagine. Et dès que vous tapez Imagine, donc, midi-journée, il se met en position de génération. Mhm. Donc, je peux, dès que j'écris, j'imagine, par exemple, imagine. Donc là, je vais écrire mon prompt, ce qu'on appelle le prompt, ça, ça, veut dire la phrase qui va servir à générer la photo. Mhm. Je vais lui dire, génère-moi, par exemple. Une sorte de commande. Voilà, c'est une commande. Génère-moi, je ne sais pas, un oiseau sur le pont de Niamey en train de manger du pain ou en train de chanter une chanson. Et lui, il va commencer à processer, il va vous générer des images que vous allez peaufiner après. Alors c'est très large, vous pouvez vraiment lui donner toute une panoplie d'informations. Par exemple, pour les photographes qui s'y connaissent, vous pouvez même lui donner des focales euh, d'appareils photo. Bon, je veux un portrait, mais avec ce type d'objectif, avec ce type de lumière, selon cette résolution, etc. etc. Et Ousmane, mid-journée, quelle est son utilité alors l'utilité, vraiment, je pense que euh, ça, aide beaucoup les artistes et même euh, les personnes lambda ou même d'autres personnes qui ont vraiment besoin de générer des images et qui n'ont pas, par exemple, les moyens mhm. de s'équiper pour avoir un studio. Parce que quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, qui fait de la publicité, qui a une entreprise de communication et qui n'a pas beaucoup d'argent pour avoir un studio équipé avec des appareils photo, avec de la lumière, avec tout ce qu'il faut pour mhm. faire des photos professionnelles. Euh, qu'il va utiliser après dans ses publicités. Il peut passer parmi les journées parce que ça coûte, je pense, euh, une trentaine de dollars par mois pour mhm. la version standard. Et ça donne un avantage vraiment gigantesque à des gens qui veulent, euh, ou même à des artistes qui font de l'illustration, qui font de la peinture, etc., etc. Donc vous pouvez aussi faire beaucoup, beaucoup de peinture avec, avec ce programme-là. Vous pouvez lui dire de vous générer, par exemple, une photo d'un enfant ou, je ne sais pas, d'une personne au Niger, mais avec le style euh, de Picasso, moi, je ne sais pas, ou de Van Gogh, etc. Et il va s'y coller. Ousmane, euh, avant de poursuivre, on va faire une petite pause et savourer la deuxième pépite de notre playlist du jour, n'est-ce pas, Ruki Oui, c'est ça. Abdullah Ibrahima, plus connu sous le nom de Maliaro, est un musicien nigérien. Il a commencé sa carrière artistique en tant que jeune joueur de Goumbé. puis avec ses amis, il forme en 1996 un groupe de musique, le Goumbé Star. Voilà, chers auditeurs, après ce moment de détente musicale, nous sommes de retour au studio, prêts à reprendre notre conversation captivante avec notre invité Ousmane Mamoudou. Alors, Ousmane, nous venons de parler de comment accéder à Midjourney et quelles sont ses limites. Alors, les limites, c'est d'abord la qualité des images souvent qui sont générées, donc qui dépendent en fait de la précision de votre texte, donc du prompt, de la commande que vous avez donnée. Donc, et après, il peut y avoir aussi des différences entre l'image générée et l'image que vous, vous avez souhaité qu'il génère. Donc, tout dépend de comment vous, allez, vous avez formulé euh, votre commande. Et seconde euh, limite aussi, qui pour moi est beaucoup plus considérée, en tout cas je la considère beaucoup plus comme une dérive, c'est quand cet outil-là il est utilisé euh, pour concevoir des images fausses, pour fabriquer des faits fake news, par exemple. Mm-hmm. Mm-hmm. On a vu des images de, Donald Trump, par exemple, euh, arrêté qui était en train de courir, poursuivi par la police. Mm-hmm. Ah, c'est ça, donc j'ai vu l'image du pape en train de danser. L'image du pape aussi qui <laughs> danger, qui avait... Encore du Poutine noir. oui. Donc tout ça, bon, si c'est un peu rigolo, on s'imagine que, bon, peut-être qu'au premier abord, on peut se dire que c'est faux, mais on peut aujourd'hui, des gens partent vraiment vers des images beaucoup plus réalistes de personnes souvent qui se trouvent dans une situation ou dans un contexte donné, euh, mais qui n'ont pas l'air fausses. Donc, on peut par exemple générer une image d'un requin, je ne sais pas, dans une ruelle et dire que c'est un yamé L'image, elle est très crédible. Quelqu'un qui s'y connaît pas, il va tout simplement partir y croire. Alors nous, pour nous les journalistes, en tout cas, ça nous pose un vrai défi de vérification parce qu'aujourd'hui, c'est très très difficile, on l'a vu, de reconnaître une image générée par euh, mm. midi-journée. Avant, ils avaient des limites, c'est que euh, ces outils-là, midi-journée, n'arrivaient pas à faire les doigts de la main correctement. mm Elle, greffait 5-6 doigts aux gens, mais depuis, il y a eu des correctifs qui ont corrigé. Euh, cette lacune, donc ça s'améliore, ça avance à une vitesse grand V. Mais euh, pour ceux qui utilisent Midjourney à titre professionnel, par exemple, hmm. est-ce que les images générées sont libres de droits ou bien il faut payer des droits alors, si vous utilisez une image gratuite de Midjourney, vous devez mentionner l'entreprise Midjourney dans le visuel, hmm. si vous utilisez la version gratuite. Maintenant, si vous utilisez une image payante, donc ça veut dire que vous êtes abonné à Midjourney qui vous génère des images, vous devez respecter les règles euh, de la licence Midjourney et donc qui vous permettent d'utiliser les images à des fins commerciales, mais ils ne vous permettent pas de les modifier ou de revendre la photo. Mhm. Donc il y a quand même des limitations. Et aux États-Unis, c'est encore, euh, eux, niveau réglementation, ils, sont euh, déjà un peu avancés avec euh, le Copyright Office, donc qui est l'institut chargé d'attribuer les droits de propriété aux États-Unis, parce qu'il y a eu un précédent. En mhm. fait, il y a eu une artiste euh, qui, s'appelle Chris euh, Castanova qui avait euh, fait une bande dessinée qui s'appelait bon qui s'appelle Zaria of the Dawn. Mhm. Donc l'œuvre, elle a intégralement été fabriquée, en tout cas les images parmi les journées et d'ailleurs elle avait même mentionné dans son descriptif. Mais après, cette autorité a, retiré les droits d'auteur à cette personne parce que ils ont considéré que une image générée par intelligence artificielle, moi, je ne peux pas venir m'attribuer ces droits. Il n'y a pas de droit derrière. Donc, et pourquoi ils le disent Parce qu'ils disent que le fait que le résultat de midi journée ne puisse pas être prédit par quelqu'un, par l'utilisateur, rend donc cet outil-là euh, différents aux fins de droit d'auteur. Donc, je ne peux pas, si je dis à midi-journée, je veux que tu me fasses un mouton, je mhm. suis incapable de deviner exactement l'image qu'il va me faire ressortir. Donc, je ne peux pas savoir la couleur, la taille, etc., etc. Donc, tout ça rend caduque quelque part le droit d'auteur. Ça, c'est aux États-Unis, mais beaucoup de pays également sont en train de réguler. Mhm. Mais alors, euh, Ousmane, est-ce que vous pensez que les métiers euh, d'illustrateur ou de photographe sont menacés avec ces jardins Alors oui, il y a toute une liste en fait de métiers qui sont menacés. Donc il y a les illustrateurs de publicité, les réalisateurs de films aussi. Euh, dans certains cas, les auteurs de bandes dessinées, on l'a vu, des graphistes, des architectes. C'est un outil vraiment foutu qui fait beaucoup, beaucoup de l'image. Après, ça peut, il y a certaines personnes qui disent aussi que ça peut servir en fait d'inspiration par exemple, moi, je suis journaliste, j'écris du texte. Des fois, il y a ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Je suis devant mon ordi, je ne sais plus quoi écrire. Donc c'est pareil aussi pour les artistes. Souvent, ils sont là, ils ne savent pas quel type euh, d'animation faire, etc. Si demandent à midi journée, par exemple, elle peut leur donner des pistes. Mhm. Pas qu'ils vont utiliser l'intégralité de ce que euh, cet outil-là va leur sortir, mais ils vont regarder, voir, ah, peut-être ici, il y a des Ils pistes. Oui, je vais m'inspirer de ça et partir euh, vers, vers, euh, vers peut-être ce type de design. Voilà, merci beaucoup Ousmane. Ruki, on fait une pause et on se retrouve juste après. Ah Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, un sujet crucial nous attend ce matin dans la rubrique justice. Il s'agit de l'assistance judiciaire et juridique au Niger, n'est-ce pas Fanta Exactement, Ruki. Dans l'entretien qui suivra, nous allons voir la définition de ces deux termes juridiques et nous verrons comment est octroyée l'assistance juridique, mais également comment l'octroi des dites assistance est retiré. Qu'est-ce que c'est que l'assistance juridique et judiciaire Au regard euh, de la loi 2011-42 du 14 décembre 2011 fixant les règles applicables à l'assistance juridique et judiciaire, l'assistance juridique consiste en un ensemble de prestations destinées à améliorer la compréhension du droit de la justice et de ses institutions, à prévenir les conflits et à favoriser le règlement des différends. Quant à l'assistance judiciaire, elle consiste en un ensemble de prestations apportées au cours d'une procédure judiciaire au profit d'une certaine catégorie de personnes vulnérables et des personnes qui ne disposent pas du revenu nécessaire pour faire face aux frais d'un procès. Quelles sont les personnes bénéficiaires de l'assistance juridique et judiciaire Le bénéfice de l'assistance euh, judiciaire comporte deux aspects. D'abord, l'assistance judiciaire peut être accordée aux personnes qui sont indigentes, donc les personnes dont les moyens matériels et financiers sont insuffisants pour qu'elles puissent faire valoir leur droit en justice. L'assistance judiciaire peut également être accordée d'office. Donc ici, il n'y a pas d'exigence de production de la preuve d'indigence. Dans ces gardes de circonstances, elle est accordée aux personnes suivantes. Les mineurs poursuivis pour crimes, télé ou contraventions, les mineurs qui sont victimes devant une juridiction répressive, les personnes handicapées qui sont prévenues ou parties civiles et qui sont incapables de se défendre du fait de leur handicap, les personnes qui comparaissent devant une chambre criminelle pour des faits criminels, les femmes qui sont victimes de violences au regard du droit pénal et les femmes qui sollicitent le paiement d'une pension alimentaire ou qui sollicitent la liquidation d'une succession ou les femmes qui sollicitent la garde d'un enfant. Et par rapport à l'assistance juridique, elle est accessible à tout le monde sans distinction de nationalité, de sexe, d'âge ou toute considération. Et l'assistance juridique, elle est totalement gratuite elle est applicable dans tous les domaines du droit. Elle peut également être sollicitée en dehors de toute procédure judiciaire ou administrative. Il faut euh, noter que l'assistance juridique est assurée par euh, des bureaux d'accueil à travers des sens d'information, des sensibilisations, des conseils et d'orientation. Ces bureaux d'accueil sont installés au niveau de chaque tribunal de grande instance. Quelle est la procédure d'octroi de dites assistance La procédure d'octroi euh, de l'assistance judiciaire peut être écrite ou verbale. Donc, la demande doit être adressée au secrétariat du bureau local de l'assistance juridique et judiciaire qui est installé auprès de chaque tribunal de grande instance le plus proche du domicile du requérant. Et pour les personnes qui sont en détention, elles peuvent euh, déposer leur demande auprès du chef d'établissement pénitentiaire qui à son tour la transmet au secrétariat du bureau local d'assistance compétent. Au demeurant, il est, il est fait obligation au chef d'établissement pénitentiaire de rédiger la demande d'assistance judiciaire au besoin. Et il faut dire que le bureau local peut soit valider la demande, soit invalider la demande. Dans les cas où eh, le bureau local décide de valider la demande, le président du bureau de l'assistance juridique et judiciaire qui est le président du tribunal de grande instance désigne un avocat au récurrent sur la liste des avocats dressés par le barreau. Et dans les ressorts où, dans les ressorts de juridiction où les avocats ne sont pas établis, donc c'est un défenseur commis d'office qui doit être choisi sur une liste dressée annuellement par le ministre de la Justice. Et en cas de refus d'accéder à la demande, donc la décision doit être motivée. Est-ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré après octroi Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être retiré si eh, il se souvient à l'assister des ressources reconnues suffisantes qui, si elles existaient au jour de la demande de l'assistance n'aurait pas été accordée. Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut également être retiré si l'assistance a été obtenue sur la foi de déclaration ou sur la base des pièces qui se sont révélées fausses. Le retrait donc de l'assistance peut être demandé soit par le ministère public, soit par la partie adverse auprès du bureau local d'assistance juridique et judiciaire. Le retrait peut également être prononcé d'office par le bureau local de l'assistance juridique et judiciaire. C'était là un entretien réalisé par Taran Foudé Ahmed avec Abdrazak Mahazou, doctorant à l'université de Ouagadougou. Voilà, après cet entretien, je vous propose, chers auditeurs, de souffler encore une fois en musique avant de continuer notre émission. Ce sera avec Iswat, servi par le groupe Dag Ténéré. Dag Ténéré, qui signifie les enfants du désert, est un groupe d'artistes touareg originaires du Niger, Mali et Burkina Faso, dont leur musique fortement influencée par le style assouf ou blues touareg aspire également à faire valoir et préserver la culture et tradition de ce peuple nomade du désert du Sahara, les Keltamachèques, dont l'histoire remonte à l'Antiquité. Créé en 2016 à Niamey, le groupe lance un premier album autoproduit sous le nom de Timas Nguyen en 2018 et fait sa présentation officielle au Centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Rouge de Niamey en mars 2019. Peu de temps après, le groupe décide d'échanger le nom par Dak Ténéré, un nom qui est plus accordé avec euh, la diversité de leurs membres et qui veut aussi se démarquer des autres groupes touareg de la scène musicale. Voilà, chers auditeurs, nous allons maintenant plonger dans notre rubrique incontournable, l'écho des régions. Aujourd'hui, nous allons faire un tour à Matamé de la région de Zender pour parler de la lutte traditionnelle. Plus précisément de la situation de plusieurs familles d'anciens lutteurs qui vivent dans la précarité, ce sport ne garantit pas aux pratiquants un avenir radieux, surtout ceux qui ont quitté l'arène. En tout cas, c'est ce qui ressort dans ce reportage de notre correspondant à Matamei, Habousser la lutte traditionnelle constitue le sport roi au Niger et également l'une des meilleures voies qui favorise le brassage et l'unité nationale entre les communautés. Cependant, ce sport roi ne garantit malheureusement pas un avenir radieux aux anciens pratiquants, étant même un ancien champion, encore moins leur famille. Idibala, fils de l'ancien champion du Niger au titre de la région de Zander, Al Ajbalat Ankado, se plaint de l'abandon dont ils font l'objet. dan abin da ake bada na fannin tsayin 'yan kokowa muna samun shi sai dai kuma sauran wasu abubuwa ne kuma sai dai godiya darin nan dai da ake bada ita ce ana bada da ban ma samun suma amma wannan shekara kuma mun je mun same su amma dai dan sauran tana dai da mutane dai ba a yi muna da yar dama saboda mun kai kamar mu mobile amma ni kadai ne na bada kokari na dan shiga inda har sauran wurare ma na je kuma na ma yi kokowa ni ma na dan taba kuma na ga eh, abin na ɗan yi da kuraje akan abin saboda ma'aifan mu ma ga sanan sun da kufa kuma sun mai da hankali akan koko kuma abin da ya zo da haka kuma ma muna tunanin in muka mai da hankali babu wani abu da za mu yi wanda zai inganta rayuwar mu har gaba da mu da iyalinmu ka gani abin sai a hankali shi yasa muka dan ja da baya muka dan yi sanyi daga ciki da an sama mana wani aiki kuma amma manta ma da mu aikin bijir ne aka sama mana irin wannan wanda aka ɗauki 'yan kokowa arba'in to daga cikin mu dai kaɗan ne suke sauran kuma an ma manta an ma mance ma kwata-kwata yanzu dai muna ɗan taɓa kabu-kabu da shi ne dai muke ɗan dabara da sai dai godiya alhamdulillah to ina gira ga magabata a yi ƙoƙari kamar da dai ƙoƙarin dai da ake yi a dinga tunawa da sauran bayan riyan haka wanda wanda ya Ibra, conseiller municipal au titre de la commune urbaine de Matamé, propose à l'État et aux collectivités de faire des gestes réguliers aux familles des anciens lutteurs afin de ne pas décourager les jeunes à pratiquer ce sport. shi ne za ga kamar mutumin da ya yi kokowa ya huddo sunan shi mm. ya huddo sunan ƙasa a kokowa to bayan ya yi zamanin shi ya ƙare sai ga kuma an manta da shi ban ba kama a ce in Allah mashi cikawa bai ya samu daman zuwa wannan wasanni da ake na shekara-shekara to za ka zo ka tar da iyalin shi cikin wani hali wanda bai kamata ba a ce a cikin wani hali yake saboda wannan jan kokarin da suka ba kasa suna da suka hudo na kasa saboda wannan wasannin da suka hudo sunan shi mu muke ba da shawarar kama irin wannan wasanni da ake tsarawa misali kamar irin wannan kofi na shugaban kasa ko wani kofi da ake tsarawa a kasa to muke ba da goyon bayan cewa irin wannan kofin aka tsara shi ya kamata a ce ana hudda wani tukwici na musamman don a tuna da iyalin wannan gwarzayen wanda suka yi marken sunan Nijar suka hudu sunan Nijar a bangaren kokowa har a kasashen duniya kai in ma da dama ya kamata a ce gwamnati ta keɓe ta musu wani eh, alawasu na musamman wanda za a ce duk wata wani iyalina suna zawa ana ɗauka ana basu kamar tallafi ne wannan shine zai sa matasa ɗiyanmu wanda suke ra'ayin kokowa sai su ba da kuzari su yi kokowa Voilà, chers auditeurs, c'était un reportage réalisé par Habou Serki Saleh depuis Matamé, qui est d'ailleurs en ligne avec nous. Assalamu alaikum Habu muna lafiya. Assalamu lafiya lawallah alhamdulillah. Eh, to yanzu muka yi sauraron rahotonka akan yanayin da iyalin tsoffin 'yan kokowa suke a ciki. Haka. Na ce menene ka ya jawo hankalinka musamman haka har ka taɓo wannan shigon? Eh wallahi abin da ya jawo na shine cewa kamar kun san a nan eh, jihar da magaran musamman ma aka ɗauki farkance mhm. yawancin yan kokowa waɗanda suka hito sunan jiha eh, yawancin su eh, yan nan mata mai ko kuma sai gundumar eh, kance in ba watakila biyu ba cikin waɗanda suka fi galaba kamar tasiri sani da masu alaƙa mhm. suna da yawa da ba yan kance ba amma duk yawancin su sauran da wanda suka yi suna yan kance ne to kuma inda gizo yake saƙa shine cewa da za a bar wannan kokowa sai ke sun kuma wani hali na abin tausayi ne kawai sai ki ga yallar su ga shi ne sai gaskiya kamar kara zube eh, rayuwa tana musu kunci kayan su ma kin gani biyanci sun kode ma suke su ga an yi wani bako a yi gungu a ce mun zo mu gaida ka to su eh, star ne ko ku ɗan kokon ko kuma roka ne to abin nan akwai ban takaici kun ga to shine kenan matasa suna ganin wani wani ma ya suna a lokacin yana kowa so yake gaisa da shi abin baya ba su karfin gwiwa ba a ma so a game da su saboda kasu tambayi wani abu mm-hmm. to kun ga eh, irin abun da zai sa a gaskiya eh, na ce wannan abu ya kamata a yi batu a kai eh, saboda kalangu ganin yadda take faɗi wajen an ce katirzan fulu da katirzan fulusan na teritar kimu kalangu ta yi kubrir mm-hmm. kuma watakila wannan abu zai sa masu haɗa a ji su ɗan wayoyo baya tun da su ma artist ne eh, sun yi abin a zo a gani a rika tana da su domin baya su ma su dauka a ce su ma sun kama wani abu da mm. gani. Da fata wannan sakon naka ya isa a kunu da suka dace. Amin ya rabu. Mun gode sosai. Madalla, madalla. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, chers auditeurs, à présent, c'est l'heure du sport et nous sommes avec Hasumi Gourouza Karimou. Bonjour Gourouza. Oh, bonjour Fanta, bonjour Ruki. Bonjour. Alors, euh, lancement samedi de la 10 édition du TGV de Lazare. Oui, 24 clubs euh, vont se disputer le titre euh, de la meilleure équipe du quartier, le tournoi des grandes vacances de Lazare a débuté dans l'enceinte du complexe Isaka Daboré de Niami. Ce tournoi a 10 ans d'existence et c'est un cadre de réjouissance et de convivialité entre jeunes et pour leur permettre de s'épanouir pendant les grandes vacances, mais aussi de les aider à se faire repérer par les sélectionneurs des grands clubs nationaux. Euh, pour le match d'ouverture, d'ailleurs, euh, il a opposé JBS à AS Hadari. Score final 2 buts euh, à 1 en faveur de JBC. La finale du tournoi de Lazare est prévue le 21 août prochain. Grouza quitte pour Agadez, plus précisément à Chiro, pour voir comment les travailleurs des différents secteurs se regroupent autour du ballon rond. Oui, Ruki, après une journée rude, un travail stressant, le corps a besoin de se détendre. Et c'est pour cette raison que les fonctionnaires de Chiro se sont regroupés dans un cadre sportif euh, pour non seulement euh, se retrouver, mais aussi mettre un peu de corps, un peu au top avant demain. Les travailleurs de Chiro ont créé un club du nom de AS Maracana il y a deux ans. Ahmed Félan, notre correspondant sur place, a rencontré le président du club AS Maracana de Chirou, Amadou Hassan, qui nous parle de ce club et des difficultés. Nous l'écoutons. Donc euh, c'est un club qui est né d'un constat. Ici euh, à Chirozérine, les professionnels, voilà, les travailleurs, que ce soit les travailleurs de la Sonichar, les FDS ou l'administration publique, nous manquons cruellement d'activité physique. Et vous savez que le sport c'est très important pour euh, la santé, même la santé mentale. Donc c'est fort de ce constat que nous avons décidé de créer ce cadre-là. La S Maracana aujourd'hui a plus de deux ans d'existence. Les difficultés c'est surtout le manque d'appui parce que jusque là nous fonctionnons sur fond propre, j'allais dire sur la base euh, de nos cotisations seulement. On a un appel à l'endroit d'abord de toutes les forces vives de chiroséine de l'administration de la Sonichar, et la préfecture, la mairie, tous ceux qui peuvent euh, contribuer à améliorer ce cadre-là seraient la bienvenue. Mon dernier mot, c'est que je veux, en tout cas mon, souhait pour ce cadre-là, est que nous réussissons à faire valoir une bonne image de Chirozérine sur le plan national. Voilà, Gourouza, c'est aussi la fin du tournoi RTL Cocoa à Maradi. Oui, Fanta, la finale opposée hier soir deux lutteurs de Renault, Zakirou Zakari de Tawa et Lawali Dantela de Sender. Le lutteur de Tawa a eu le dessus, mais la chute a fait tellement de polémiques. À demain. Merci Grouza et à très bientôt. Chers auditeurs, place à présent au portrait du jour. Aujourd'hui, nous allons à Saï, ville située à 50 km de Niamey, à la rencontre de Fatima elle est passionnée des lectures, mais surtout de la culture. Fatih ne s'est pas uniquement arrêtée à la théorie, mais aussi à la pratique en mettant en place une troupe théâtrale. Malgré les difficultés, mais surtout sa situation d'handicap, Fatih est une brave femme qui ne recule pas devant les défis. Son portrait avec Abdul Rachid Sanda, rendu au studio par Farid Bourema. 2013 don wayan higi a mega reprendre sam trupu zena kan aite da ngo 2013 kai ni te hunkun kinde te duan kinde te soge kinde te avironuma kinde te doctor ikunu ave idu ave ni rara parce que connaissance ne créa pour pour ne wakaran singi il faut il faut denu arangate ara irgite sketch irgite poem irgite slogan irgite doni irgite ba théâtre in kuna chômage go gaba in kuna izo wai doni du goi kaina son dir don doni du du kaina ara dinni ga koy ginga gina yanda yiya ingai bankare yante inengai wa bisingai sai chômage hamzani go chômene ni ga har bobate to culture go kan da ka sene gumo ndewan talkatara go zaba seno culture vim zanga integrara moy bore mo integrara zama han fo ne here igi di povreta dango agogo zabo da bonne da ni groupement de kultura ora irga ba ne bor ku si furku tara harakara isi taba harakara igo dende goyo. Turpo wa singi, bon feren gwan karin gite ara? Dine konfli goka, konfli yakin sanda alfarai da kurkai. i donnai dinga no kani se kali yi im reconciliation ote au sein même de la maison ngorga sinelbe théâtre yante matano ni ndi ngorga ga ba funai sanda fulanwo da hainan faro ai te ba ki suka ki wadin bu kontoni da manan da kabban ba ka yi sin da ke ne ai gingai murada te zamir sin da condition bobo gina yin sir sin da harai ir da ya yakin dai nirgarti ke yin fono gona ran sai karan da al'umma do walgin bore don dirgon da gabir su ha irga ba ir labo ko mafam da haikan ir kultiro bore gunga sanni zai ima fam da di fam da mu imate yenge si bori winde ko ne fari da kurka imata a follo zamu yenge si bori labora Après ce portrait de Abdrachid Sandamaïga rendu par Farid Boureima, chers auditeurs, enfin le tout dernier morceau de notre playlist, je vous propose ce titre Dembé du ballet de Gaïa. après cette pause musicale, il est temps pour nous de retrouver les femmes du studio Kalangu dans la rubrique Lotti. Aujourd'hui, Fanta, les femmes du studio Kalangu touchent du doigt le problème d'insécurité urbaine à Niamey et dans les grandes villes du Niger. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur ces derniers temps. Voilà, l'arraché, braquage en plein jour sont autant de pratiques qui inquiètent la population de Niamey. Écoutons Salamantou Kadri et Talata Abdou Bahar. Affairage, affairage, affairage, affairage. 000, 10 000, il me dit 50 000. Hum, c'est bon, ah, ah hum, c'est bon. Viva Viva bonjour, comment vas-tu Je vais bien, Dieu merci. Et chez toi, ma chère, comment vont les bouts de chou Ils se portent très bien. Mais ma chérie, qu'est-ce qui te prend de compter de l'argent en pleine rue comme ça Tu as gagné au loto ou quoi Hmm. j'aurais bien aimé que ça soit de l'argent gagné au loto. Au fait, je sortais de la banque et comme la salle était bondée de monde, j'ai préféré faire le compte dehors, loin des regards indiscrets. Tu m'étonnes vraiment. Donc toi, tu trouves qu'il est dehors est plus sécurisé qu'à l'intérieur de ta banque. D'où sort-tu cette idée tordue Eh ma chère, mon idée est bien fondée, je t'ai dit. Tu sais, paraît-il que parfois même dans les banques, il y a des bandits infiltrés dans la foule qui viennent pour des opérations bancaires et en même temps espionner ceux qui encaissent des grosses sommes. Hmm, tu veux me dire qu'il y a des personnes qui vont te suivre pour des petites miettes, bon, supposons que ce que tu as entendu soit vrai. N'empêche qu'à l'intérieur, tu es plus en sécurité. En tout cas, plus que dans la rue. Parce que là, tu t'exposes à des vols à l'arraché. Voilà quoi Ça a l'air grave de... Si je comprends, les voleurs enlèvent les personnes maintenant. Hé, eh, calme-toi. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant de toutes ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Des caméras de surveillance qui montrent des bandits à moto qui ont menacé une femme à l'arme blanche, puis emporté son sac à main. Mais Niamey est dangereux dès en pleine journée. Gassa. Eh oui, en pleine journée, Wallah. Il faut vraiment que tu fasses attention. Quand tu marches dans la rue, surtout ouvre grand tes yeux analyse bien l'endroit. S'il est bien fréquenté, s'il est désert, si tu as un doute, ne serait-ce qu'un petit doute, rebrousse chemin et trouve-toi un autre chemin. Ah, c'est fini. Je ne compterai plus mon argent sur la voie publique. Désormais, je n'irai nulle part sans mon mari ou mon petit frère. Mike Chinga, tu sais comment ils sont costauds, non Même si Bandi veut nous attaquer, il réfléchira à deux fois avant. Hmm, ce n'est pas une mauvaise idée. Cependant, dis-moi, ce n'est pas partout que tu seras avec tes gardes corps ils ont d'autres choses à faire, ou bien Ah oui, tu as raison. Donc le mieux est que je fasse euh, attention à moi toute seule. J'ai choisi mes lieux à fréquenter et où mettre mes pieds, en faisant très très attention alors. Voilà ma chérie, tu as tout compris avec l'argent que tu as pris à la banque. Peut-être même que tu peux t'installer euh, un système de vidéosurveillance. <laughs> Eh, hum. Ne ris pas de moi hein. et puis ne profite pas de mon ignorance pour m'insulter des fois Ah. Hein, qu'est-ce que j'en sais De nos jours, on ne sait pas. Hein. Peut-être que ta pécule de contractuel a changé. <laughs> c'est l'heure de la culture linguistique. Oui, Ruki, ce matin, Jackie Dalton nous amène avec elle à la découverte du mot voyage en français et en anglais. Hello, dear listeners. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Le mot pour aujourd'hui est voyager. Voyager en anglais, c'est to travel. Travel. I travel veut dire je voyage. You travel veut dire tu voyages ou vous voyagez. I like to travel. J'aime voyager. Je répète, I travel, je voyage. You travel, tu voyages ou vous voyagez. I like to travel. J'aime voyager. Tomorrow, I will travel to my village. Demain, je vais voyager à mon village. Et parlons de différents moyens de voyager. Bien sûr, on peut aller à pied. By foot. Foot, ça veut dire pied. On peut aller en bus. En anglais, bus, c'est bus. Bus. On peut aller en voiture. By car. Voiture, c'est car. Donc à pied, on foot, par bus, by bus, en voiture, by car. Et maintenant, un petit quiz pour voir si vous avez pu retenir un petit peu. Comment dire voyage en anglais? Travel. Et comment dire je voyage? I travel. Tu voyages ou vous voyagez, c'est you travel. Et j'aime voyager, c'est I like to travel. Et comment dire Je voyage en bus. I travel by bus. Et comment dire J'aime voyager. I like to travel. I like to travel. Do you? Travel. That was today's English word. Et n'oubliez pas de nous contacter s'il y a un mot que vous souhaitiez que nous expliquions en anglais. À la prochaine. Until next time. Merci Jackie. Jackie, c'est la responsable éditoriale de la Fondation Hirondelle. Chers auditeurs, si vous aussi vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir euh, l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au 82 89 89 64. Je répète 82 89 89 64. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages vocaux envoyés par nos auditeurs. To, Assalamu alaikum. Da farko dai ni ne Musa Isa na Talatu Baban Kolo a nan Difa. Ina ɗaya daga cikin masu sauraren Studio Kalangu. Studio Kalangu abin da za ka iya cewa wanda za ka iya kwatanta Studio Kalangu da shi gaskiya ba abu ne ƙarami ba, kuma ba abu ne wanda za ka iya cewa zai ƙare a yanzu ba. Abu ne kawai sai dai ka taƙaita abin da ka iya sani. Don Studio Kalangu kai sai dai a ce Allah ya ƙara musu hazaƙa da ƙarfin gwiwa. Studio Kalangu abin da ya burge ni a cikin su musamman ma idan ka ji sun ce wannan wakilin su ne daga wani guri labarin da za ka ji yana badawa labari ne wanda ya faru ba labari ne ba wanda shaci faɗi gaskiya nan ma ni na jinjina musu na biyun shi studio kalangu labaru su da kansu 'yan jaridunsu ba 'yan jaridu ne kame-kame ba 'yan jaridu ne wanda suka san aikinsu kuma suka iya zama da kowa a cikin rayuwar duniya kuma haka ake son aikin ɗan jarida dama ni dai abu da zan iya gai bisa studio kalangu sai dai in ce daga su da mu masu saurare da kuma manyansu gaskiya ubangiji allah ya ƙara ɗaukaka gidan radio na studio kalangu Je m'appelle Moussa Mahaman, ici au niveau de Baléara, avec euh, la radio d'Alol. Nous écoutons régulièrement les programmes de Kalangu. Nous avons même l'habitude d'animer pour Kalangu. Je crois que Kalangu aujourd'hui a presque même une radio internationale comme RFI parce que il euh, capte les informations de tous les côtés et c'est grâce à Kalangu que Aujourd'hui, nous sommes informés de l'actualité nationale et internationale. Auparavant, ici, au niveau de Balera, euh, on n'a pas les émissions des autres radios. Donc, euh, avec Kalangu, maintenant, tout ce qui se passe euh, dans le cadre de la sensibilisation, les projets et autres là, Kalangu les enregistre et nous met ça. Donc, vraiment, ça a changé beaucoup dans la vie des auditeurs ceux qui écoutent bien sûr Kalangou, oh, parce qu'on est informé au quotidien. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, avant de se dire au revoir, nous allons accueillir encore une fois Nafisa Adamou pour les titres de la grande édition du soir. Bonjour Nafisa. Bonjour. bonjour. <laughs> Dans nos journaux du soir, vous entendrez les conclusions de la réunion d'urgence de l'Observatoire religieux d'Agadez tenue le samedi sur un phénomène de dépravation des mœurs chez des réfugiés ou demandeurs d'asile. Ensuite, vous entendrez le chef d'un quartier de Difa qui appelle la population à plus de vigilance face à de nombreuses noyades dans la rivière Komadougou ces derniers temps. Et dans le magazine, un syndicaliste nous édifie sur la notion du SMIG ainsi que son montant au Niger. Rendez-vous donc à 17h. Rendez-vous pris. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et Ruketo Abdraman. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. À la technique, nous avons Seine Isaka et à l'édition Andawachi. Chers auditeurs, si vous êtes à table, très bon appétit. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne.